Fitbi fit bi mu am c'est parce que dafa am ñu nek ci ginnaawam ñu nek ci ginnaawam diko dolel parce que awa mul siete, nek ngeen ne fii yëpp li cité cité cité ñu octroyer ko ñu ne ko sa momel la lolu fan la musa am ba paré lolu dañ koy wax Bey Habib Bey ak monsieur Ka ño nek tout derrière cela Bey moko def te Bey bam ñëkke ñew man la fa fek ci lieu yi ne hé kay ko kay yow bam mu ne ma yow lu lu ngeen def fi lii ku la lu ngeen fi ma ne ko fii suñ suñ moomeel la dañ fi kii mun a ànd seen papier ma ko ku ko yor mooy président affaire léegi bañ kii ba nga xamante ne dem nañ ba kii waxtaan boo xam ne ñun suñu téye peut-être euh, dëgër na mu ne on va retracer le plan. ñu def def lépp def ba nga xamante ne wax nañ que ne ku si nekk dañuy def euh, euh, plan bi ku si nekk féetewoo sa moomeel mais awa dafa ne ñett bañ awa dem na ba proposer ñu 10 millions pour ñu ko ñu quitter les lieux ñu xamal ko ne ñun luñ fi liggéey. ëpp na 10 millions kon donc yo boo ñuy proposé xaalis yow nga xamul donc vraiment lu bëggone wax wax na oh, oh, bari na mais luñu wax que né awol oh, fi lu ko jaral ben jaral nañu ko fukk gouverneur dem nañ fa recevoir ñu man on a secrétaire laaj ko ndax gouverneur mu ne jot nako secrétaire mu ne jot na suñu euh, euh suñu courrier jot nako kon donc lu tax recevoir lu tax deful ni préfet préfet bañ demee 2 jours 3 jours lañu au téléphone recevoir ñu ben bi moy aw papier ñu ko yor ñu ngi yor ay papier papier lu si nekk mooy que ne amul maanaam euh, chef centre nga xam ne moo ilif Kaolack yëpp dafa ne carrément lii amul benn valeur juridique. léegi nag lu ko may doole ba tax aw di indi ay ndaraan ñëw ne dañuy sentir wër ah donc loolu est-ce que dañ ko nangu. dañ ko nangu dama ne fii ñaata ñaata lañ fi employé góor ak jigéen mag ak ndaw wax leen waaw kon donc est-ce que loolu dañ ko nangu. nous sommes ici présents pour s'indigner du comportement de la dame nommée Awassar qui est supposée exploiter les terres des salins de Kabotoki il y a de cela presque un an ou deux ans. Ce que nous avons jugé injuste parce que nous l'avons certifié que ces terres qu'elle est en train d'exploiter ne lui appartiennent pas. Elle n'a pas montré ce pourquoi elle les exploite. Nous avons, euh, nous avons dit à cette dame-là que cette providence est à, la population de Kabotoki et doit être exploitée par la population de Kabotoki. Il s'est trouvé que récemment, elle s'est encore entêtée pour venir empiéter sur les terres de ces exploitants et ils ont résisté pour s'opposer à cet empiètement, à cet empiètement, ce qui a valu aujourd'hui notre présence pour lancer une alerte. Alerte pour savoir qui est derrière cette dame, qui la épaule pour qu'elle puisse s'entêter à exploiter. Ceci étant dit, le délégué de quartier, demain, ira voir les, les autorités administratives et locales pour s'enquérir de la situation. Parce que nous ne pouvons plus rester sous silence devant ce fait injuste. Il faudrait que cette dame-là s'arrête. Il faut qu'elle s'arrête, sinon elle verra une population forte devant elle. Parce que nous ne laisserons jamais faire. On ne va jamais laisser faire. Ça, ça nous appartient et nous continuons à résister pour qu'elle recule. C'est juste pour identifier les autorités qui sont derrière la dame. Donc, je le répète, c'est une alerte que nous sommes en train de faire pour pouvoir identifier les autorités qui sont derrière cette dame-là.